Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Et je comprends parfaitement votre peine, votre douleur, puisque notre pays se sent agressé, puisque notre constitution est bafouée. Quand la constitution de notre charte fondamentale est bafouée, ce sont les paradigmes de notre intégrité, pour ne pas dire de notre sénégalité, qui sont remis en cause. C'est la raison pour laquelle, outre, nous sommes mobilisés, nous sommes déterminés pour mener le combat afin que le Sénégal redevienne ce qu'il a toujours été, cité en Afrique et dans le monde comme une vitrine démocratique. Nous sommes un grand peuple et nous sommes aujourd'hui à la croisée du chemin face à deux actes majeurs posés par l'exécutif et le législatif. Puisque nous le savons tous, Karine Kaha, le président de la République, en prenant le décret abrogeant la convocation du corps électoral et l'Assemblée nationale, en votant la proposition de loi pour proroger le mandat du président de et ainsi convoquer les élections le 15 décembre 2024, ces deux situations ont mis le Sénégal dans une posture totalement indélicate par rapport à la volonté que nous avions maintes fois exprimée de considérer notre pays comme une terre de démocratie et de paix. Les exigences de la nation, de la classe politique, de la société civile et de toutes les composantes du peuple sénégalais pour une élection libre, démocratique, transparente et inclusive sont aujourd'hui menacées par ces deux actes que nous condamnons avec la dernière énergie. Bien évidemment, mes chers compatriotes, quand le Sénégal est menacé dans sa constitution, c'est la substance de notre devenir qui est remise en cause. Et rien ni personne n'a le droit de remettre en cause le devenir de la nation sénégalaise. C'est pourquoi, en tant que démocrates, nous nous sommes mobilisés pour ne ménager aucun effort afin que le droit soit dit et que la Constitution soit respectée dans ses fondamentaux. C'est ce qui a expliqué notre acte posé le lundi pour dénoncer auprès du Conseil constitutionnel actes qui sont aux antipodes de la démocratie. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'utiliser des arguties juridiques pour démontrer le caractère anticonstitutionnel de ces mesures et nous pensons que le Conseil constitutionnel fera le travail qu'il faut à cet égard. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, c'est le peuple sénégalais dans sa survie qui est menacé. C'est aussi notre engagement commun à ne ménager aucun effort pour protéger notre Sénégal notre grande patrie face à toutes les menaces qui peuvent sauvegarder ou défendre ses intérêts. C'est pourquoi nous avons dit, en tant que collectif, des candidats à la présidence de la République, que nous allons nous mobiliser à côté de toutes les couches du peuple sénégalais, de la société civile, des organisations syndicales, des organisations de jeunesse et de femmes, pour qu'ensemble nous puissions nous battre pour que ces élections puissent se tenir à date échue, c'est-à-dire le 25 février 2024. Nous n'allons ménager aucun effort pour continuer notre campagne électorale, mais également pour qu'en fin de compte, le président de puisse se rendre compte que les menaces qui pèsent sur notre nation sont d'une gravité extrême et peuvent le conduire à être accusé de haute trahison. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à l'ensemble des forces vives de la nation, afin qu'ensemble, nous puissions mener ce combat pour le gagner au nom de la patrie. Aujourd'hui, c'est l'histoire de notre pays qui se joue. Et quand l'histoire de notre pays se joue, le peuple sénégalais doit être uni, doit être dans une cohésion parfaite afin que les conditions soient réunies, afin que les élections se tiennent à date échue et que seul le peuple souverain puisse choisir le prochain président de du Sénégal. C'est clair, mes chers compatriotes, que votre volonté manifeste de créer les conditions du changement, les conditions de la rupture et des transformations indispensables pour remettre ce pays dans les rails du développement économique et social sont claires. Et c'est justement ces agrégats qui ont conduit le gouvernement qui sait parfaitement que la cause est entendue et que votre décision est irréversible qui amène ces arguties pour prolonger le mandat du président de la République. Mais je pense que c'est peine perdue et que la décision du peuple, elle est claire, elle est intangible, comme l'est aussi la décision du Conseil constitutionnel qui a acté les candidatures qui sont aussi irréversibles. Nous en appelons donc à la bonne foi de l'État de tout faire pour organiser des élections dans les conditions appropriées

ànd ak mbokku jullit yëpp ak mbokku taaliba yi pour def li nga xam ne nii moom la ab taaliba bu nekk war a def di wax ne bés bu toll nii ñu ñëpp ñu taxaw fii jaakaarloog askanu Sénégal jaakaarloog àdduna bi pour xeex li nga xam ne nii moom lañu ñu gouvernement président Macky teg ak assemblée nationale mu nekk loo xam ne nii teguñu ko fenn teguñu ko ci yoon teguñu ko fenn lu dul bëgg jaay doole Sénégal Sénégal nag. li ngeen bëgg mooy yéen moom seen réew président la bu ma di nekk yéen koy fal yéen xool programme am xool ki leen doy ngeen tànn président la bi parce que loolu mooy suñu constitution. la constitution bi wax nag dara mënu ko dindi président la bi mënu ko dindi assemblée mënu ko dindi ñun ñi nga xam ne ay candidats lañu mënuñu ko dindi kon nag li am mooy ñuy ñaas lancer appel président de la République ak bépp doomu aadama bu nga xam ne ni yaa ngi nekk ci ku jegi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci exécutif mu nekk ci législatif bi ñu taxawaat xam ne Sénégal dëkku jàmm la te jàmm ci li lépp xaj jàmm nag bu naree am ñi ko war a doxal ñoo war a di ko jox jàmm te ñoom doxuñu jàmm moo tax ñu ñaan yàlla ne kilifa diine yi kilifa aada yi ak Sénégal yëpp ñu leen di tàllal loxo pour que ñu xeex li nga xam ne nii bu amee dina ndërmalal démocratie Sénégal dina yàq ëllëgu Sénégal te ëllëgu Sénégal lépp lu koy yàq dañ ko war a moytu. loolu moo tax collectif bi taxaw ne ñun ñëpp dañu war a ànd joxante loxo joxante loxo nag mooy ànd ci dëgg joxante loxo nag mooy doxal yoon joxante loxo nag mooy fexe ba senegal bi nga xam ne ñoo ko moom te bokk ko dara wat ko ba a yàq maa ngi leen di gërëm leen sant.